아깜하냐 에 아깜하냐 아깜하냐 Excusez-moi, je n'ai pas d'argent à vous donner. Quand tu me vois, tu vois que je suis un mendiant. Je suis venu pour manger. C'est comment alors Mais je ne vous connais pas. Qui êtes-vous Mais demoiselle, c'est vous nous, sommes là. On s'est encore sur Facebook. Tu es la un mongole en plus, tu es même laid. Tu penses qu'il y a un rendez-vous avec toi Mec eh, Pardon, excusez-moi, j'ai un rendez-vous très important et ce n'est sûrement pas avec vous. Vous êtes là, vous, un mongol comme ça, en plus vous êtes là, vous venez me parler. C'est mon nom, chérie. Écoutez, madame. Vous savez qui nous sommes Ah, tais-toi. Tu es là, tu es foncé, tu veux me parler. Regardez-moi ces deux-là, bande de lait garçons. pas. Ne me touchez pas, monsieur. Laisse tomber. Ok, c'est une là-bas, là-même. Allô Oui, oui, j'arrive. D'accord, j'arrive tout de suite. s'il te plaît. Une minute. S'il te plaît. Euh, tout à l'heure, j'avais pas remarqué ta beauté. Ah bon Elle est matérialiste. Ça se voit. Et c'est quoi le souci maintenant En fait, je t'interpellais pour que tu m'aides 250. Je veux payer le taxi pour aller voir ma copine. Ça va pas dans ta tête. tu me demandes 250. Ah. Avec quel genre de coiffure même, dis donc. Regarde-moi ça. <laughs> tu oses me demander l'argent, tu n'as encore rien vu. N'importe quoi. tiens. Tu veux me le donner Je fais comment Ouais, aidez-moi, non, grand. Tiens. Merci, grand. Vous êtes vraiment beau. On va t'aider pour la lèvre Merci. Les gars, c'est mon tuer. Aïe. Pamela, je peux savoir ce qui se passe ici. Je voulais que tu viennes voir la fin de la série ici avec moi. C'est trop drôle. Attends. Ah, ah. Ouais, sérieux. Donc, tu m'as déplacé ici pour venir voir la fin de la série avec toi. Oui. Ah, la petite fille là, Seigneur Jésus. Aïe. Waouh. Ça. Ah, ah voilà. <laughs> Mais, ma fille, qu'est-ce qui te prend Qu'est-ce qui me prend ose moi plutôt la question à savoir où est-ce que j'étais. C'est toi qui me paye le loyer. Tu as fait, j'ai raté un bon gibier là-bas qui pourrait me payer le loyer. Non parce que madame veut que je l'aide à, regarder la fin de la série. Mais il fallait tout simplement me dire que tu étais au ah, tu allais comme ça comment Tu m'appelles, tu me dis c'est une question de vie ou de mort. Je traverse, je laisse tout. Le gars là même pouvait me donner quelque chose. Tu m'as dit c'est une question de vie ou de mort. D'accord, j'ai compris, je suis désolée. Tu penses ça va se passer comme ça hein? Non. Il y a la femme là qui vend le coquille. Il veut manger d'abord un plat avant de rentrer. Ça peut même pas se passer comme ça. Maman. Mm. Mm. <laughs> Il y a la voisine là qui vend le coquille. Tu m'achètes d'abord un plat, sinon je ne te pardonne pas. Je dis, je veux un plat de nourriture. Je n'ai pas d'argent. On ne fait pas ça. Eh. Tu n'aimes pas aller trop loin, ma fille. Même si je t'ai fait venir ici par une tu, tu, tu allais trop loin. Eh, bah, toi, tu es marié non Je n'ai même pas un franc pour te donner Tu es marié non Il ne me donne pas. Ok, il a Moi, je suis célibataire à vie. D'accord, il n'y a pas. Je rentre chez moi. en même temps bouteille. Ah ah, il était d'abord quelque chose. Oui. Faut comme. On est à perruque. La fille c'est plus que bonne. tata. Tu es belle aujourd'hui jusqu'à... Ton pain ici, là, c'est le wax ou bien c'est le coton. Le père t'a même vu aujourd'hui. La façon dont tu es belle là. Tu as fait le make-up, tu as mis les ongles. Tu es belle jusqu'à... Eh, madou tu veux quoi En fait, je voulais que tu m'aides ta poêle avec le couteau. Je vais un peu faire manger. Pardon s'il y a aussi de l'huile, tu me donnes un peu, pardon, <laughs> juste une petite quantité. Pardon. <laughs> Et je veux que tu me donnes aussi le cube, un cube crevette. Tu sais que <laughs> j'adore le, goût de ça dans la nourriture. Pardon, la tata. Hé, eh, la tata, toujours choco. Donne-moi le pardon. Chaque jour. Pardon, n'oublie pas le cube, pardon. Euh. Où ça, tu me donnes le sel eh, la tata <laughs> la tata En plus, tu as une très belle démarche. Prends, prends, prends. Ça s'appelle Je veux, prends. Ouais, donne-moi aussi avec un cœur, non C'est comment Le sais pas te donner, ça coûte moins cher. C'est seulement 25 francs. Je n'ai pas 25. À toi aussi, tu passes tout le temps au cas, tu montes, tu descends avec les hommes par par-là. Les, hommes ne peuvent pas t'acheter tout ça. Ça va alors, ça ah. Ça s'appelle Je reviens. D'accord. Moi, comme elle est mince, espèce de, baguette. son hum, hum, hum, gars ne te donne pas. Mon gars ne me donne pas, mon gars ne me donne pas. Le balai même qui est balai quoi. que le tout, si ton gars t'a donné même un million pour faire le shopping. Maman, c'est mon mari qui me donne la joie de vivre. <laughs> ton sac, c'est là. Quand tu utilises un sac deux semaines, tu fais déjà cadeau. J'espère que le tout, si tu vas me donner. Euh, il a pas de euh, tu te rappelles de la surprise que je t'avais dit que je devais lui faire, non La surprise, la surprise. Ah oui, oui, la surprise. voilà. Euh, j'avais passé la commande de quatre pantalons, monsieur. N'est-ce pas slimé là. Mhm. Quand mon nom m'a porté ça, mon frère, ma copine. <laughs> Et donc moi-même, je suis tombée. mal, mal mauvais. Et j'ai aussi commandé euh, trois chemises, mhm. trois belles chemises et quatre vestes. Le gars était content. Mais tu le, sais... Le virement qui m'a fait non. h Mais tu sais, non. Mm. Nos hommes ont aussi besoin qu'on les fasse des cadeaux, hein, sincèrement. Bien sûr. sentir Mon type est le genre qui est je connais mon homme. Il est le genre que quand tu, tu, tu te bats juste un tout petit peu, tu fais des petits efforts pour lui, il te gâte. Justement. Parce que je ne pense pas que certaines filles se plaignent que mon gars ne me donne rien. Qu'est-ce qu'elle donne quoi aux hommes, justement quand, le gars sort, quand le gars sortait ce matin, la joie qu'il avait. C'est qui C'est Yaka. Tu ne vas pas ouvrir. Ah, c'est sûr que c'est une mendiante, disons. Elle fait tout le temps ça. Tout le temps, elle vient mettre la nourriture, si le reste de nourriture. Je n'ai pas la nourriture à te donner. Tu peux rentrer. La joie qu'il avait. Je suis sûr que. Il a c'est comment tu vas pas ouvrir C'est comment on va ouvrir Non, n'ouvre pas. Oh, je sais pourquoi je dis ça, n'ouvre pas. Non, faut que j'aille Bonsoir, Marco. Bonsoir. La fille est là euh, mm. euh, oui, mais elle est là. Ah, c'est bien. Mais je m'as que c'était une Tu vois que c'était une femme bien. Euh, tu m'as fait savoir que c'était une Tu C'est une femme bien normale, la cliente. Maman Yaka, tu es là. je suis <laughs> là. Tu es là. toujours, toujours belle, belle. Ça fait déjà un mois aujourd'hui que je t'ai prêté ma peau et mon couteau. Qu'est-ce qui se passe Maman Yaka, en fait, c'est que je suis malade depuis un bout de temps. Ça ne va pas sur moi. La raison pour laquelle je ne suis pas venue te donner tes assiettes. Mm. Je me sens pas bien. Sincèrement, apprenez à ramener les choses de vos voisins. c'est quoi, ça C'est Ah, ça m'a pas de merci. Ça m'a pas de merci de t'avoir t'aider. Tu grondes qui Jusqu'à elle vient ici, elle demande. Tu, tu, demandes ta poêle, non C'est quoi de crier sur la tête des gens la pardon, prends sa poêle, tu lui remets, du don. Oui, pardon, je veux ma poêle. Et, le couteau aussi, s'il te plaît, fais vite. Mes assiettes, n'oublie pas tout. Quelle assiette Quelle assiette encore, ma fille le mois dernier, t'ai donné la nourriture avec la noire. norme. Faut que j'ai maintenant que tu m'as donné la nourriture. Non, parce que tu nous as donné la nourriture. Non, tu vas venir toi te placer, parler mal aux gens. C'est ça. Demain, j'ai dit, t'attends demain. Tu vas encore venir toquer ma porte que tu veux ça, que tu veux, que tu veux le sel. Lui, tu t'attends. Miss Mensolo. Hum. Pardon, Pamela, donne-lui son... Pamela, si tu peux faire, si tu peux, j'ai une réunion tout à l'heure. pas de merci, attends. Ne crie plus les oreilles des gens. Hein. Tu te dit que quelqu'un est malade depuis, tu ne peux même pas demander comment la personne va. Ah. La fille, c'est son plat ici. Oui, oui, c'est pour elle. Et eh, où est mon couteau Quel couteau C'est pas toi qui as envoyé ton fils qui a la grosse tête là. Il s'appelle même comment déjà euh, Papi. Machin, c'est mon poème que tu utilises quand c'est avec ta fille. Pardon, pas. C'était même d'abord quel genre de bois. J'attends encore chez moi la fille. La prochaine fois, ça va être ça qui te péter l'œil. Attends. Regarde-moi la spaghetti yoyette là. Hein. Tu vas taper qui C'est parce que je suis malade, sinon te beauté le, le, le, le, cul maintenant là. Euh, ma fille. Quoi Tu sais quoi Quoi Dans la vie, c'est que tu vois, l'orgueil n'est jamais payé. Oh putain, tu as aussi venu avec ta part. Hein? Non, écoute-moi un peu. Quand une voisine aussi gentille prend la peine. Gentille que tu la connais où Je ne la connais pas, mais c'est le moment à voir, à voir ce qui vient de se passer. Là, je comprends tout. Elle prend la peine de faire la cuisine et de t'offrir à manger. Parce que tel que je te connais, tu n'aimes pas faire la cuisine. Et déjà, le fait qu'elle le fasse, c'est qu'elle tienne à te donner, c'est beaucoup. La moindre des choses serait de laver ses plats et de lui remettre. C'était pas lavé. Et comme si ça ne suffisait pas, non, je n'en dis qu'on vient pas, écoute-moi d'abord. Comme si ça ne suffisait pas, elle revient te réclamer un truc et puis tu te mets à l'insulter. C'est pour l'encourager à revenir demain te donner encore. Elle ne donne plus, toi ne me donne plus, pas même avec ton sac. Non, non, non, non, attends un peu. Attends. Prends pas tes choses, tu pars. Voilà, voilà justement, c'est justement ce que j'étais en train de te dire, que l'oreille n'a jamais payé. Et là, tu continues. Écoute, non, ça peut t'aider. Je crois que cette femme demain pourra encore faire à manger, venir t'offrir, venir euh, euh, t'offrir. Ça va, j'ai compris. Rentre alors. Tu n'aimes pas faire à manger. Elle est là, au moins, c'est la petite. Pardon, mon gars Patrick, mon gars Patrick vient de m'écrire. De, cuisine, tu n'achètes pas. Mon gars Patrick Elle vient de réclamer, c'est un problème. Mon gars Patrick vient de m'écrire. Pardon, il faut partir. Il faut changer. Patrick, tu vas me donner ça <laughs> Marco. Bisous, eh. nous a mis en contact avec lui. On ne peut plus s'y passer. Il a toute une collection. En plus, il a, il a de très belles robes. <laughs> Le genre de talons, si tu mets ça comme ça, ton gars tombe sans glisser. <laughs> Et dis sans glisser, ma copine. <laughs> Comme je suis tombée sans glisser. Mais pourquoi est-ce que vous êtes habillé comme un Bouddha comme ça Vous savez, moi, les injures ne me collent plus à la peau. Depuis l'histoire des élections où ce tribalisme à sujet entre les tribus du Cameroun. Bref, je ne suis pas un politicien. Cette s'il vous plaît Ah oui, je l'adore. <laughs> ok, si c'est le cas, je vous l'offre. Oh, merci Mais tu connais à peine ces messieurs et déjà ils t'offrent des trucs, tu prends. Tais-toi vite, jaloux. C'est ce que tu regrettes même d'être marié. Vous êtes accompagnée Oui, oui, monsieur. Ah non, non, non. C'est ma femme de ménage. Pamela, je t'ai déjà dit que quand tu veux sortir, moi, tu ne t'habilles plus comme ça. Regarde, on te confond maintenant ma copine. Allez, prends les choses là, on pas, Rentre, rentre à la maison je peux vous déposer tous les deux. Hein. Ah non, non. Monsieur, avec plaisir. Non, non, non, non, non. Tu sais, c'est une fille de Niala, Elle aime les motos. Ce genre de fille là, même quand tu le mets dans la voiture, elle veut seulement la moto. <laughs> si elle monte dans ta voiture, elle va, peut-être vomir. <laughs> ok. <laughs> Prends ceci. Tu lui donnes pour son taxi. D'accord. Tu prends les si là tu utilises 250, tu me remets 4750. Ma fille, je vais te tuer aujourd'hui. Oui, tu vas me tuer à la maison, mais pas maintenant. Laisse-moi d'abord gérer le bon chip ici. <laughs> Je t'aime, Choupi. uniquement pour toi, bébé. Ah. Tu sais, dans la vie, il y a plusieurs voies qui mènent vers la réussite. Et de ces voies en découle deux chemins que choisissent les humains. à la droite, tu as un chemin qui t'amène vers un bonheur infini. Et tu préserves ton âme pure. Et à la gauche, un chemin plein de tumulte et l'épine, parfois sucrée et parfois amère. Alors, je te laisse deviner dans quel clan je me trouve. Encore. <laughs> laisse-moi tout ce que tu racontes là. Amène-moi manger au restaurant. J'ai Tu ne peux pas sortir d'ici. <laughs> Quoi T'es dans mon royaume. Pardon T'es dans mon univers. Tu ne peux pas sortir d'ici. Pourquoi <laughs> Bienvenue dans le monde d'une le monde de la facilité je suis où Pamela Il n'y a pas de Pamela qui va. Tu as choisi la vie facile. Tu aurais pensé à ce qu'elle t'a dit au shopping. <laughs> allô Pamela, s'il te plaît, viens maintenant, viens, viens, viens rapidement. Ça a ouvert un Qu'est-ce qu'il y a chez lui Pamela, tu te souviens du monsieur à noir dans la boutique l'autre jour au shopping ah oui, celui que t'avais offert une chaussure là. Oui, oui. On s'est revu plusieurs fois. La dernière fois, il m'a remis une grosse somme d'argent. Par la suite, il m'a demandé de me rendre belle, sexy pour lui. Chose que j'ai fait d'ailleurs. Cette nuit, je rêve où j'étais dans un endroit bizarre avec lui. Il m'a fait des menaces. Il m'a raconté des trucs concernant le monde de la secte et autres j'étais vraiment... Mais ah, mais pourquoi est-ce qu'un beau garçon comme lui qui a de l'avenir peut entrer dans les mauvaises choses Ce sont alors ces beaux gars qui sont nombreux à entrer dans la société pour avoir de l'argent. Euh, plusieurs causes vont pousser les jeunes filles aujourd'hui à aller n'importe où pour le matériel. Mais ce que vous ignorez, c'est que cette démon là se transforme toujours en âge pour vous atteindre si ça t'a servi de leçon et que tu puisses travailler désormais pour pouvoir gagner dignement ta vie, c'est que moi également je serais fière de toi. Ces jours-là, tu m'as traité de jalouse. <laughs> Voilà ça maintenant. Non, c'est bon, j'ai compris. Aujourd'hui, tu me fais courir du jazz pour venir à cause de ça. Tu as ta dose. Quoi Vous savez, oh. j'ai eu affaire à tellement de personnes. Tu, tu, Qu'est-ce que vous entendez par personne comme moi J'ai eu affaire à tellement de personnes. Allô que je suis devenu un crack. Si vous ah, continuez à allô mais il demande si tu vas appeler. Pourquoi tu appelles Tu es dans quel champ comme ça Le réseau dérange. C'est même d'abord qui Ah, <laughs> Maëva. C'est comment Mako Non, en fait, comment tu m'appelles avec un numéro inconnu, non Je ne pas pourquoi. je t'appelle mon numéro, je vais te ramener ta perruque. En fait, c'est parce que mon gars apprécie l'authentification. On dit authenticité. J'ai compris, j'ai compris. Alors comme ça, tu connais ce réseau J'ai traité quelques affaires avec Je sais que tu n'as pas pris au sérieux, au ce que Yannis suis passé. Hein. <laughs> Heureusement que tu, tu le connais déjà, ma copine. <laughs> C'était qui c'était Maïva, En fait, elle voulait <laughs> ma ici, <laughs> C'est que ça coûte cher. Je vais lui donner. Oui, c'est ouvert à entrer. pas je peux avoir un peu d'eau glacée là, parce que j'ai trop soif. Hé, eh, pas là-bas. Tu es d'abord qui Tu viens chez les gens et puis bam, tu veux l'eau glacée. On t'a dit que tu es ici à PK14 ou PK15. Dans la vie, quand quelqu'un te demande un chose, que ce soit à manger, à boire ou n'importe quoi, si tu peux aider le. Attends, ça c'est les filles de, de, de PK14, PK17. Elles aiment trop demander les choses. Et en plus, elle s'assoit. Qui t'a demandé de t'asseoir Je crois que... J'ai comme besoin que tu te crois ici à PK14 ou PK15. <laughs> Ok, maintenant je suis à toi. Qui êtes-vous et que me vaut l'honneur de votre visite En fait, attends, je cherche un jeune monsieur au nom de Christian J'ai tellement cherché sa maison que je suis fatiguée. Ah, ok. Et je peux savoir pourquoi vous voulez le rencontrer tu sais, comme je te vois là, je vois que tu es une femme très gentille. Et je te le dis. tu sais, ma tata, Christian et moi sommes en couple depuis quelques temps. Et il m'a mis dans la liste noire l'autre jour à cause de sa femme qui est cinglée là. Tu imagines Il m'a même dit que sa femme a un problème psychologique. <laughs> Quand on veut piner la tisa. Eh, eh, eh, s'il te plaît, je ne suis pas sa tisa. Je suis sa fiancée et on va se marier même très bientôt. En fait, même, qui êtes-vous euh, Je suis sa soeur et elle, c'est sa cousine. Euh... je suis comme ça, je ma belle famille alors. <laughs> Quelle chance, mon Dieu. <laughs> oh, grand, grand frère. <laughs> Voici votre future épouse, notre future belle-sœur. Bonsoir, chérie. Euh, mais mais Nafi, je pensais que tu es la porte-parole des Chisa ici au Cameroun et tu étais censée empêcher que les Chisa et les femmes au foyer ne se rencontrent. Uh Surtout si ça me dépasse. Je ne comprends rien. Vous parlez même de quoi là je, je, je... je suis sa femme. Le contrat cuit dans la marmite. Donc j'ai creusé ma propre tombe aujourd'hui. D'ailleurs. Mettez-vous dehors. plus je plaqué? Celui-là. J'ai dit celui-là. Je m'excuse. Avec ces fausses salons qu'elle a acheté à 250. Mais ça, c'est quelle histoire ça Je là. Je reste à la maison, je suis tranquille, on va ramasser, on vient me trouver à la maison. C'est ça qu'on appelle mariage. Maman, je suis dépassée, elle n'a jamais vu le Ça, c'est quoi ça non, arrête de rire. Quand est sérieux, là, au moins pour une fois dans ta vie, sois sérieuse. Arrête un peu. Quand est sérieux, toi aussi, sois sérieuse. Mais... Tu appelles ça, c'est quoi ça Ta gaule était aux anges. C'est ça qu'on mariage. Elle était aux anges. Elle savait que le gars devait l'épouser. Ouais, n'arrive pas arrêter des blagues, je suis sérieuse. Bon, ça va alors. Ça va, je ne parle plus. <sighs> J'ai dormi très tard. Et pourquoi Tu faisais quoi Je regardais un film d'horreur. Ok, je vais ah, depuis une semaine et demie que je lui demande le pain de 8 mars. Il ne veut pas me donner. Je suis sûre qu'il a déjà offert le pain à Sanjumba. c'est la raison pour laquelle tu ne... Tant lui dis que je suis avec toi. Euh... Non, non, elle n'est pas passée par ici aujourd'hui. Ah. Est-ce que tu viens chercher ton panier Oui, allô Allô, B Mon cœur L'amour de ma vie. Non, on Non, tu sais, elle, aime trop les blagues. B, d'accord, chou, je passe à quelle heure 19h. C'est pas mieux que je viens maintenant. Pardon, je n'ai rien à faire. Ah ok, 19 euh, alors. <laughs> tu m'as acheté quelle couleur du pain D'accord. <laughs> Hey, merci mon bébé. Le sucre de mon tapioca. Je t'aime, bébé. Je t'aime. On va gérer après. Ou bien, je, à 18h, je vais t'attendre devant la porte si tu n'es pas encore rentré. D'accord. <laughs> ok, tout à l'heure. Dis-moi merci. Je ne même pas lui parler. Comme tu as entendu le panier là, le matériel va te tuer un jour. Euh, c'est mon gars. Matérialiste. C'est mon gars, euh, non Maman, chapeau. Tu as gâché, tu as failli mais C'est mon gars, non Je suis les tu as failli m'arracher les oreilles. Je suis sûre que ton gars ne t'a pas acheté le pain. Eh. Donc, avale le macabon là. Tu sais comment mon type est galant. Tu bavardes quoi Et tu ignores quoi C'est une surprise que je vais te faire. Mais hier, quand même, on n'aurait pas dû sortir. Hein. On a vraiment fait fort. Maman, petit seulement, 5 heures du matin. La fille, on a seulement exagéré. Tout ça, c'est à cause de toi. Je n'aurais pas moi dû sortir. J'étais dit que je ne sortais pas. J'aurais même préféré rester ici faire la fête avec mon mari. C'est toi, on va en boîte, on va en boîte. On part, on va dans telle boîte, ça ne suffit pas. On va là-bas, ça ne suffit pas. On va là-bas, tu sortis, tu, on sortit, on sortit partout. Je demande, tu ah, grondes qui Tu n'as pas enjoy Non, je suis pas de gronder, j'ai enjoy, mais c'est chaud. Le gars est sorti le matin, même bonjour, il m'a pas dit. Il dit que c'est chaud, ça brûle. Mais tu, tu le séduis le soir, non Mon frère, tu crois qu'il a mis ça en valeur. Le gars va tomber. Il connaît mon homme. <laughs> le soir, quand il va rentrer, là, le gars va tomber. Je connais mon gars, non Et que ah. Mais si ah. ton gars, si ton mari voyait comment le gars, là, il était collé, non Eh, le gars était comme ça, il voulait pas laisser. le gars va mourir. les voisins, les voisins, baisse le ton, maman, il pas le là-bas, fais comme si tu ne voulais pas alors que tu voulais. Baisse le ton. Si mon gars apprend ça, le gars va mourir, pardon, bah, arrête ça. C'est chaud, maman, il faut, il faut pas passer des foulées comme ça. Il encore dansé Imagine la scène là, il t'a pris comme ça, il ne voulait pas te laisser. Ok, ça va alors. Si mon gars entend ça, le gars va mourir, pardon. <laughs> Plus le temps, les voisins avec le Congo, ça ici, pardon, arrête. Arrête ça, maman. Mais il faut pas passer des foulées comme ça. Elle a ses bien, Moi, j'ai encore sommeil, il faut que je parte dormir. Maman, il a fallu que je m'arrache du lit comme ça pour apprêter Junior pour qu'il aille à l'école. La fatigue est. Ma soeur. quand je parle, je vais me reposer. Il que le gars va venir me tabasser au lit. Après, non, ma co. Ok. C'est ouvert Waouh, quelle beauté. Bonsoir, moi c'est Fran le beau-frère de Pamela. Euh, bonsoir. Didier, qui t'a même accouché C'est maman et ça et papa Abdoulaye. Pourquoi hmm. Parce que le genre de beauté comme toi ne mérite pas vivre au Cameroun. Hein. Non, non, non, je ne vis pas au Cameroun, je vis au Brésil. En fait, comme Pamela est une amie à moi, il a jugé nécessaire de venir là, lui rendre visite avant de rentrer. Ah, je savais. Je savais que le genre d'ange comme toi, comme ça, c'est comme Ben qui doit aller voir. Entre-temps, ma tata, euh, moi-même j'ai essayé là depuis d'aller en Ben, ça n'a pas marché. Mais tu ne pourrais pas me filer un tuyau là hein? Ah, non, non, non, te gêne pas, c'est un petit problème. Je vais te faire partir en Ben. ça c'est un petit problème. Ok, merci Tata. Entre-temps, euh, Tata Pamela cuisiner quelque chose et je au C'est quoi euh, c'est quoi comme ça euh, C'est du gombo pistache. Ah non, non. Moi, je ne peux pas manger ce que je connais pas. Ah, toi, tu manges alors bio. Mais quelque chose m'intrigue. Tu es camerounaise, non Comment tu fais pour ne pas connaître ce plat non, en fait, je suis née au Brésil. Moi, je ne suis pas camerounaise, moi. C'est juste que comme mes arrière-parents ont vécu là-bas, ils sont nés là-bas. donc, moi aussi, je suis née là-bas. <laughs> Ah bon, euh, je comprends. La descendance née au, Brésil, quoi. Voilà. <laughs> moi, j'adore la saladita, la salsa, la vinaigrette, la mayonnaise. Regarde-moi les deux villageois, si. Eh. Là, là, tes est-ce que tu ouvres ah. tes gros yeux et tes oreilles pour écouter. Ah, mes soeurs camerounaises ne changeront jamais à ce que je vois. Je peux te donner un conseil Lorsqu'un homme vient vers toi, c'est parce qu'il a craqué pour toi. Ah. Par exemple, imagine que tu as un ou deux enfants et que tu décides de lui raconter des sottises pour voir s'il va rester ou partir. C'est la même chose. Lorsqu'un homme vient vers toi, il va t'aimer avec tous tes défauts. <laughs> En fait, moi-même, je blaguais aussi chaud. <laughs> moi aussi, je suis quand même tombé sur ton charme. <laughs> ah bon, chou Tu m'amènes quand même, non j'ai envie aussi de partir. C'est que j'ai trop vendu le piment ici au pays et ça n'a pas donné. Je suis même allée jusqu'à Maro en croyant qu'on m'a jeté un mauvais sort. Mais ce n'était pas le cas. Mon père, pardon, tu m'amènes quand même, non, je veux aussi partir, pardon. Bon, on en parle après. D'accord. <laughs> Le couscous. <laughs> Ah, la sauce pistache, <laughs> j'adore. Voilà que la famille n'a failli Ça va C'est bon, jusqu'à c'est bon. Ça passe ah, Ça passe. Avec, avec, avec le poisson fumé, comme j'aime. Ça. c'est bon. Olha que delícia. Uma copinha? Lá. tu me sais à quoi Ma nourriture, tu ne gères pas. Mon loyer, non. Ma coiffure, je suis la seule seule partout au quartier. Ya, tu me sais à quoi Mais bébé, ne dis pas ça. Hé, eh, Tu appelles qui bébé Tu appelles qui bébé Tu sais, donne-moi ton téléphone. Pourquoi Donne-moi le téléphone. Je demande, pourquoi je ne vois pas mon nom ici enregistré, non Monsieur, je ne vois pas mon nom. Ça enregistré, mon piment chaud. donc quoi Mon piment chaud. Donc, c'est ton piment chaud. Hein? Ok. Supprimer. Prends. Sors de ma maison. Porte tes vieilles chaussures, tu sors de ma maison. De sors d'ici, je veux plus jamais te voir. C'est pas toi qui paye mon loyer, sors. Avec son vieux short. Mais tu sais quand même qu'il fait ça bien. Ça, Avec son chapeau des féticheurs. Prochainement, tente de venir encore ici. Il va dire que je suis footballeur, footballeur, footballeur, mon œil n'aime pas baiser dans les poches.

Attends, je retire la chaussure. C'est le genre de situation qu'on voit que les bamilekis commencent à faire comme ça au sol. Oh. 5 eh, 000 eh. eh, la facture. Caro, 5 000 la facture. J'ai la, la télé. Tu as vu la lumière ici. Oh. Et, pourquoi je n'ai pas dit tu connais Papi Papi, le voisin qui est ici là. Mm-hmm. Maman, depuis un moment, c'est là-bas que je charge mon téléphone. C'est là-bas que je visionne. Hé, attends un peu. On regarde un peu pour l'eau. Pourquoi je visionne avec mais tu charges Je fais l'économie de lumières. Voilà, c'est <laughs> fini. ouais, Kamwata 2000. Depuis, je me lave une fois à l'intervalle de deux oh. jours parce que je fais l'économie d'eau. Je m'en que quand j'ai vu quelque chose, j'ai remis une ou deux. Que quoi je... non, mais là, te permets pas. Hein. ah tu Tu te laves parce que. Attends, Attends. Donc, tu ne te laves pas tout simplement parce que tu as peur que la facture vienne c'est ça Regarde, je me lave avec le seau, un seau de 15 litres. Si je me lave une fois par jour, fois. fois combien Une fois. Une, le, mois, le mois, combien de semaines Le mois, 4 semaines, non. 4 semaines, donc une, deux. Si je me lave <laughs> non, c'est que <laughs> Le calcul là. Hey! Je gagne pas mal. Hein. J'étais forte en mathématiques. Hein. Tu as donc compté là. Attends, je suis en train de réfléchir. 2. 3 euh, fois 5. 5 fois 15, ça fait combien 5 fois 15. Oui, attends, je suis en train de réfléchir. Hey, maman. Oh. Je me fais comprendre la facture de 7000. Ouais, Eneo. Hé, Kamwata. Sincèrement, vous exagérez. ou. Oh. Eneo. Ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Je fais un poids sur ma bouche. Quand la galère te touche, tu es même capable de dire que ton père n'est pas ton père, que ta mère n'est pas ta mère, que tes soeurs ne sont pas tes soeurs, que tes frères, frères ne sont pas mes frères. On a compris. Pourquoi tu ne dis pas tout simplement que quand la galère me tape, je deviens comme le caméléon Voilà. Ouais. Tu as dit que tu es là assise comme une, une, une, vieille veuve. Parce que la facture d'eau est venue de 1000. 5000. Et celle de la lumière, 5000. Donc c'est trop pour toi. Tu sais ce que j'ai mangé aujourd'hui. Tu es incapable de vivre ouais. dans ta propre maison, de charger le téléphone chez toi parce que tu économises. La vie que tu fais alors là, c'est pour alors abandonne ça, ça ne paye pas. Mm. Tu chez un boulot, tu travailles. Je pense que c'est serait juste comme ça. Toi, allez, toi, tu moi ça va Ça Pamela, ça fait deux mois qu'on a déposé les dossiers dans la structure là. Même pas un appel, même pas un SMS, pire encore, même pas un bip. Tu sens que ce sont les fausses structures, les structures Shinto qu'on vient installer ici au Cameroun là. N'est-ce pas que tu te vendais, pardon, quand tu auras ce boulot, tu vas t'acheter une voiture après être allé faire un scandale là-bas. <laughs> toi, la fille, c'est eh, toujours en train de rêver. Et puis quoi Non, mais il faut avoir que le camion, s'est mm Donc, même moi qui ai choqué l'argent à la fille, là, elle n'a même pas plaidé pour moi. Non, mais tu sais quoi On va passer à autre chose. On va trouver une solution. Hein. On va faire le commerce. Mais on va ouvrir le militariat. Quoi On va ouvrir le militariat. C'est la seule solution. Je J'aime ce toujours la blague, la fille. La fille La fille J'étais en train de faire un rêve bizarre là, où tu me disais qu'on devait vendre le haricot et le bébé. Non, non, ma chérie, ne n'es pas en train de faire un euh, rêve, c'est bien la réalité. Moi, je ne vends pas. Hein. Tu vas aller vendre ça seul. Je préfère aller vendre mon piment là-bas au Carrefour. Ah, donc tu crois que c'est le piment là qui est la meilleure Oui, c'est hein? la meilleure. Va vendre. Mais n'amène pas seulement les maladies ici. Je ne serai même pas ton chevet, je t'avais dit. Vas-y. Mm. Moi, je vais faire mon promesse. Ma fille. Ma fille. lève-toi non, réveille-toi, tu peux pétrir la farine. Il y a quoi de déranger mon sommeil Va pétrir la farine, je suis en train d'aller acheter la farine. Pétrir en quelle farine tu ne commence par les bénis ce matin, c'est toujours à cause de toi hier. Euh, si, si c'est ce matin que j'y vais j'y vais, c'est parce que acheter le haricot, c'est parce que hier tu vas toujours tourner comme ça là. Ouais, lève-toi, je vais acheter le haricot, toi tu pétris la farine. Non. ça me sens pas bien. Tu as commencé. Bon, ok, ça va, je vais pétrir pas alors. tu vois que je ne vais pas faire le commerce, dis-moi. Vas-y, je vais. Là, je m'engage en sachant que je suis seule. Ah parce que tu me décourages déjà. Ok, j'arrive. Eh. D'accord. Je reviens. Tu es toujours là couchée. Il est quelle heure maintenant Tu vois comment petit la farine à quelle heure hein? Avant que ça va gonfler pour qu'on puisse faire les beignets. Non mais quand même. Encore cette histoire. Je n'ai pas attendre dis-moi. Tu exagères un peu. Ok, ça va. Je vais au marché, je reviens, tu es là couchée. Non mais quand même, tu arrives quoi la fille Pas petit la farine à quelle heure Ça va alors. Les beignets haricots bouillis c'est le matin. Tu me décourages, tu n'es pas partant, tu me dis, va vendre ton piment si tu veux. C'est ça que tu penses que ça paye. En fait, euh, va vendre le piment. <laughs> Je demande à ma mère, tu es habillée comme une West comme ça, là, c'est pour aller où bah, là, c'est pour aller vendre. Vendre quoi Ton piment ou les beignets ici Si les, quatre passent, où est là le problème Je vois pas où est là le problème. <laughs> Tu sais quoi Tu es mariée, moi je suis célibataire. C'est pas toi qui paye mon loyer, c'est pas toi qui paye mes factures, c'est pas toi qui paye Monte toi, maman, j'ai compris. Je vais te donner un conseil. Et c'est pas parce que on, est vendeuse ou serveuse ou peu importe qu'on doit se négliger le charisme, il faut le mettre en avant. Maman, j'ai compris. Okay. pas non. Au moins, je m'aide à le la aussi. Non, non, non. La vie, c'est le, marché..! attends, c'est le marché là que tu vas faire avec moi. Oh. Tu m'as très c'était euh, chérie, mon ami Jules organise son anniversaire. Je dois assister à la coupe du gâteau. Et tu pas sans nous ah. Écoute, chérie, ce genre d'endroit-là, n'est pas des endroits qui te conviennent. Hein? Mais c'est vrai que l'idée me taraude l'esprit. Tu es tellement rayonnante que j'aurais aimé t'avoir à mes côtés. Mais tu sais, nous serons entre mecs, question de se siroter quelques bières. Mais Écoute, je te promets, le week-end, je t'amène au cinéma. D'accord Ok, mais ne pas très tard, d'accord hum, hum, hum, Je serai là. T'inquiète, tu sais que tu es le bâtiment de mon cœur. Allez, ne fais pas sa tête. Ah, ah, ah, je t'aime. Je viens de voir ton mari passer la bien sapée. Hey, on dirait que le gars peut avoir une petite. c'est la raison pour laquelle je t'ai fait appel. Je pense qu'il me trompe. Donc, tu m'as fait traverser Banga Pongo, Ndokpasi, Dakar, Ndokoti, Makepe, Bonamoussadi, Koto pour venir ici en Banga Mais dis que c'est comme si ton gars te trompe tu penses qu'un bel homme comme ton mari, là, si nous les tisa on le voit, on va le laisser Vous êtes là, vous, vous les femmes au foyer, vous vous négligez. Toujours la salle, sale avec les mêmes coiffures. Vous ne vous parfumez même pas. Nafi, attends. C'est à moi que tu fais ça. Tu penses que vous, là, vous valez quoi devant nous, les femmes au foyer nous sommes leur reine, nous avons de la valeur à leurs yeux. Donc, conclusion, vous n'êtes bonne que pour le sexe, le reste. Ah bon Tu nous insultes maintenant Bref. De toutes les façons, je m'en vais. Attends, ah, fille, je t'appelle pour m'aider par rapport à mon mari et toi, tu me laisses comme ça, là, tu pars. Maman, je t'ai déjà donné les conseils dont je pouvais te donner. Et c'est quoi le conseil Tu sais, un jour, moi, Nafi Abdoulaye, je prendrai parole dans ce pays pour valoriser les tisas. <laughs> pour valoriser qui, maman Les tisas. Il y a deux catégories de femmes ici dehors. La première est souvent celle qu'on valorise, on cajole, elle fait les bébés à la maison, on l'épouse. La deuxième, c'est la tisa. Et elle, elle préfère plus le dehors. Et ces deux types de femmes doivent avoir le respect qu'elles méritent. Conclusion, apprends à respecter la place que tu occupes. Tu penses que si ton mari ne t'aimait pas, il allait te mettre chez lui Laisse la fille là où elle est. Elle pointe ses 5 000, 10 000 pour pouvoir jongler sa vie. Du moins, est-ce qu'elle ne vient pas te déranger chez toi, où elle a le problème Voudrais-tu aller te ridiculiser là-bas tout simplement parce que tu ne contrôles pas tes pulsions et ta jalousie Ma chérie, on est au 21e siècle. Ne baisse pas ton charisme de femme élégante. Mais la fille, ce que tu dis là semble être pertinent. Non, mais pourquoi je me gêne ici J'ai tout à ma disposition et puis... Qu'est-ce que je vais me courir faire derrière les petites filles là-bas Attends, l'affaire là, je ne gère même plus. Pardon, ça va, ça va. Tu as raison. <laughs> Et eh, je manque de quoi ici dedans. Bon. Mais sérieux, tu m'as refusé le coq. Hier, j'ai vu une femme qui vend le couscous sauce gombo là pendant hey, un moins plat. Toi et ton ventre. Il <laughs> n'y a pas de souci. On va aller t'acheter à manger. Ça va. On va. Parce que. Ça nous c'est toi. C'est autre Oh, là voilà, là voilà, là voilà. Les gens sont méchants, on dit comme ça. Oh, Monique oh, Attends suffit quoi. Elle a fait quoi Tu blagues mal avec moi. Elle a fait... Ça fait deux mois aujourd'hui. Elle est venue à la maison, elle m'a fait un prêt de 20 000. Elle partait à N2, à ma pancarte, on retour, elle devait me remettre. Depuis la même façon de voir le la, quoi la mère a le marathon au pied. Quel marathon, mon frère Elle fuit, tu veux courir. <laughs> Elle a mis la brésilienne. Maman, elle me dit, ouais. Mais c'est elle, c'est elle qui s'est fait le nyanga et mimba partout dans le quartier. Elle me dit, avec les brésiliennes. Maman, donne-moi mon adresse. Ouais, mais tu sais que temps Et avant que tu sais que, ma donne-moi a La semaine prochaine, qu'elle fait la réunion, non, s'il te plaît. Fouille, toi, c'est dans le caleçon. Là, je n'ai absolument rien. Tu peux, il n'y a rien là. Ah, Pamela le genre de maman, sinon, elle cache l'argent dans le soutien. Non, non, on peut pas Ah, là-bas. je te dis, je n'ai rien. C'est quoi Ça, c'est quoi Ça, c'est pas l'argent. Hey, ça. Euh, Monique. Donc, tu avais l'argent sur toi. Et depuis deux mois que tu me dois, deux mois, deux mois, non, c'était manque de volonté. Tu aurais pu. Mais tu sais quoi Tu, tu viens de m'enseigner là quelque chose. Je n'ai jamais venu en aide à quelqu'un. Je dis bien jamais. C'est la dernière fois. Avec moi, ça ne se passe pas comme ça. De toute façon, la maison c'est un abandon malaxé là. J'espère que ce n'est pas ça que tu concoctes. Non, non, non. Je fais le poulet. Le poulet rôti avec la crème. Eh, tant mieux, parce que moi je suis venue passer la journée aujourd'hui avec toi. Quoi Je suis venue passer la journée avec toi. elle m'a vu prier. Et qui comment ça Donc tu veux dire que tu ne pries jamais Je prie, non, en fait, comme je prie rarement, c'est pourquoi elle est dans, ce, dans, cet état. Si, tu prends, tu penses que je m'attends, elle a l'habitude de me faire ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu vois il dit. <laughs> on se connaît, non Marco <laughs> Marco ah, C'est quoi? Ma fille. C'est quoi Tu peux pas me dire que je ne payais jamais. Ma copine, parce que tu pries souvent. Tu pries souvent, maman. Hey. Tata pas Euh, non, maman, ton Christian te cherche. Euh, vas-y, je te rejoins. Non, pas avec elle. Partez. C'est comment tu me cherches C'est quoi Tout ça parce que tu veux manger. Attends, si on qu'on parle de manger là, tout ce que tu viens souvent marié chez moi là, c'est. Ton mariage qui veut te faire le massage au glaçon. Non, t'attends, moi, il pas alors. Oui, vas-y, te rejoins après. Ok. moi pas parler chez toi. Hein. Tout ça, pas je peux manger. La vie, c'est pour une histoire de nourriture, comme tu sais. La vérité, la nourriture, là, c'est pour combien de temps maintenant J'arrive chaud. <laughs> Patiente un peu. Tu sais que la cuisson du poulet demande beaucoup de gens sans éloigner non <laughs> J'arrive avec. Fais-moi dire. Oh, j'ai fait le poulet, le poulet, le Je mange pas alors je vois. Donc, je suis pas si je vais manger. passez moi le bébé, la que là tu fais la banane Je jume d'abord le depuis la porte. Je te dis que c'est la banane. ça va, non, ça va, c'est la banane. Moi, tu peux être une fois pour Sois moins naturel dans ta vie, une fois pour deux. Ouais. Au moins pour une fois comme ça, la sois vrai dans ta vie. Dès que c'était la banane, ça va ou j'ajoute, ça va. Même moi, la banane. Le reste, c'est vrai, manger ça le soir, moi aussi. Et demandez, j'ai un on les combien de la banane à la je n'avais que 200, j'ai acheté que 200. Avec tous les gars que tu hein, pardon, je ne te permets pas de m'insulter. Hé, hey, elle a même oublié. Quoi? On est invité à l'anniversaire de ma voisine le week Ta voisine, la boque de boque de la. Celle de gauche là. Non, je parle <laughs> pas moi. Elle m'a arraché un gars la dernière fois à la bosse snap, je ne peux même pas. Oh, elle m'a dit que c'est toi qui refuse la danse. Hey, la vie de dehors va vous tuer. Tu es rancunier assez pour mon frère. Tu pars à la tête. Je ne pars pas. Ok, ça va. J'aurais bien aimé qu'on soit ensemble. Mais je ne veux pas y aller. Pas grave. Elle me fait le pop aïe. Une jeune fille peut pas Je vois un bon client, elle court, elle part, elle me dévance. Est-ce qu'on fait ça un peu. Il tous clients tu passes le temps à parler. Moi, je ne vois même pas la valeur de ça. Voilà banane tu m'as là, sans un truc sans, euh, sans poisson à l'intérieur. C'est la vie de quoi que tu suis ah, Mais Au final, ça te à quoi Non, non, je m'arrête de dire que. Attends. <laughs> même là, tu as faim. Mange. Je vais te remettre. Mange. Mais c'est une façon de dire que. De te dire que tu fais savoir que. Si la vie, la vie de dehors, elle ne paye pas. Mange. Il serait mieux que tu cherches un boulot pour pouvoir te concentrer, travailler. Parce que ça ne donne pas. Ça ne donne pas. nourriture ça ne donne pas. Donc, on ressent ma pauvreté dans ma nourriture. Ça va. Eh, Pamela. Je ne pas la D'habitude, c'est un mauvais vent qui m'amène ici. Non, on ne prend pas mal. C'est comment alors Ah, ça va quand même. Comment va ton mari et toi-même ah, Il est là, il va bien. En fait, euh, je ne veux pas trop te déranger. Je suis venue te demander. Pardon, c'est pour me payer l'argent, c'est que je veux pas. Ah, voilà, bah, qui t'a parlé d'argent C'est vraiment. Et même pas Ok as parlé d'argent Je dis c'est vraiment parce que là où je suis, mais j'aime pas ça. Ah, voilà, Tu es toujours comme ça. Bref, moi je parle, tu m'as coupé l'envie de te poser la question. Ah, ma pauvre, tu ne m'aides pas laver les habits. Que quoi que quand me m'étais mariée. il faut laver les habits, ça c'est le devoir oui. conjugal. Oui. Voilà, ça va non Ok, ouais, s'il te plaît, ok, demain tu pourras m'accompagner dans mon salon préféré là, pour que je me fasse une tresse. Ça fait, longtemps, que je ne me suis pas fait cette belle expérience. D'accord, sans problème, mais à condition que tu payes mon taxi. Yeah, but you see. Okay. Bye. Bye, Miss. Bye bye. pas. Stan Leno vient de m'envoyer l'invitation pour son anniversaire. <laughs> Attends, je vais répondre. La fille. Oh, laisse-moi, je veux d'abord répondre. La fille. Ouais, je sais que tu veux partir. Attends, non. Oh, attends, je vais négocier ta place. Mais à une condition, si je négocie, dès qu'on arrive là-bas, tu fais comme si tu ne me connaissais pas. Hein. Dis donc, calme-toi pour une fois et regarde à l'extérieur. Quoi 你好，嘿。 Voilà ce qu'on appelle du charisme, de la classe, de l'élégance. Aka, ça c'est une fille de bilingue, dis donc. Elle m'imbat trop. Elle sait contrôler son ego. Pas toi qui vas acheter les perruques de 2500 euros, là tu viens ici, tu m'imbas avec là. C'est une fille de je te dis, c'est une fille de bilangue. Eh, elle loue les véhicules. À a j'allais elle a deux gardes du corps. Je te rappelle juste, eh, comme tu aimes les bagarres là, dedans pardon, <laughs> s'il te plaît. Avale seulement ton macabre là, il dit j'ai ma copine. <laughs> oui, depuis, depuis que je suis abonnée ici à, à Airwatt, au carrefour des immeubles, oui, il me lasse même plus, ne serait-ce qu'une seconde. Non, t'inquiète. Certainement, quand tu seras au pays, je vais te faire visiter le salon de beauté. L'accueil est bien là-bas, tout, tout, tout, tout est parfait. Oui. Euh, lui et moi, on ira à Paris ce week-end. Mhm. Non, non, non, on ne blague pas, on ne blague pas. Euh, le billet d'avion a été même déjà réservé. Hein. Patrick Paris. ça. Oui. Madame, ça suffit. Vous n'avez pas besoin de raconter que vous allez faire les voyages à Paris ou n'importe où. Et en plus, on est dans un salon de beauté. Tout le monde vient se maquiller. Il faut excuser les gens. Pamela, tu me trouves à la maison. Non, non, madame, ne faites pas attention à elle. Oh là là, en passant, vous avez un très beau véhicule. non, je l'ai loué à la F Enterprise. Ah, on est très jolie. Ça déjà un petit peu le cancer de D'accord, mais Très bien. Eh. Toutes les gars qu'on voit ici là-bas d'ailleurs comme des arrachés du village qui sont en promotion. Attends. Si c'est pour me remonter le moral, sincèrement, tu as réussi. Non, non, non, je suis sérieuse. Il y a Apollinaire, Dagobert, Bertin, Franck et le mignon là. Euh, Lionel Voilà, Lionel. Moi, je l'aime. Mais m'a ça m'a fait un mauvais goût avec les gays. Sérieux Tous ces gars-là sont là dehors. <laughs> C'est une c'est une Ah, Il y a juste Lionel qui attend là la Une comme ça. Ça va, ma chérie. Tu peux me faire un truc, s'il te plaît. D'accord, je vais. Je ne vais pas aller Bon, je vais profiter parce que là, je vous laisse. D'accord, je reviens tout à Mon cœur, ça va mieux Ça va beaucoup mieux. En passant, tu sais, je suis là pour toi et je serai toujours là pour toi. Il serait mieux que tu viennes vivre chez moi. Attends, donc tu as même une maison et puis tu m'invites tous les jours à l'hôtel. Tu sais que l'homme ne s'engage pas facilement comme ça. J'ai pris le temps de t'étudier. Mm. Et j'ai vu que tu étais une bonne personne. Laisse-moi le temps de réfléchir, j'en parlerai avec Pamela. Si elle est d'accord, je viendrai vivre avec toi. Mais j'aimerais bien vivre avec toi, mais comme je suis musulmane, mon papa ne permettra jamais que je vienne vivre avec toi. Donc, si tu veux que je vienne vivre avec toi, tu dois t'islamiser et puis tu vas m'épouser. Bébé, écoute, écoute, écoute. La religion n'a pas de problème. On trouvera une solution. D'accord. D'accord. Il faudrait d'abord que tu ailles le mieux. C'est ça le plus important. Ok. Bébé, tu sais que je t'aime. Et toi, tu sais que je t'adore. <laughs> Je te pose une question sincère, tu promets de répondre. Hmm. Bébé Vanessa, c'est qui Les Français. c'est qui Ça va. En passant, ma mère va là ce week-end. Heureusement que ce n'était qu'un rêve. ce n'était pas un rêve. Elle sera belle et bien là ce week-end. Non Il n'y a plus de nuit. Mon Dieu, Ce n'est que, ce n'est que ta belle-mère. Ce n'est pas une coépouse qui vient. Ce n'est que ma belle-mère. Tu connais le monde des femmes. Léla, tu t'es fait toute belle aujourd'hui. Tes ongles sont magnifiques. <laughs> Dis, euh, mon oncle organise une réception ce week-end. J'aimerais bien que tu viennes. D'accord, j'ai compris. Euh, en passant, je voulais aussi un téléphone Android. Léla, pourquoi cette histoire de téléphone surgit là maintenant Laisse-moi deviner. Je parie que ta sorcière de cousine est déjà là. Et même si c'est déjà là, ça fait quoi Ah, je m'en doutais bien. Ça fait quoi J'ai dit, je voulais aussi avoir un téléphone Android. Je veux aussi avoir un téléphone Android pour avoir l'application Facebook, WhatsApp. Hmm. Comment est-ce qu'on appelle encore notre euh, application là Snapchat. Snapchat, voilà. L'application Snapchat, je veux aussi avoir ça. Donc, monsieur, Debout, tu même trouver un téléphone Android. Sinon, entre toi et moi, c'est fini. Mais pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça Nafi, je te déteste. Pourquoi Est-ce de ma faute si ta copine veut être à la mode Est-ce de ma faute si ta copine veut avoir un téléphone Android Voilà Arrêtez de faire ce que vous faites là lorsque vous venez ici là. Vous venez intoxiquer vos jeunes seuls naïves qui n'ont Dieu que pour leurs études. Et rêvent être de bonnes épouses. La sorcellerie vous donne quoi Il faut aller faire ça en ville. un appel vidéo avec moi. Je suis belle. Regarde-moi un peu, s'il te plaît. Maman, tu es belle. Depuis que tu parles des stanotes, la n'ai jamais vu aucun danger. Tu veux voir Attends. alors <laughs> Allô Ténor, c'est comment hey, C'est hey, gars, tu as les locks aujourd'hui. <laughs> non, ça va, ça va. On est un peu au village. <laughs> Ah, fais un peu tes yeux que tu fais comme ça là. <laughs> il a fait, il a fait. <laughs> Ah, gars, j'aime ton style, j'aime ton style. <laughs> fais encore pardon, fais pour que ma copine voit. il a fait. Ah, oh, gars, c'est terrible. Aïe, aïe, non. Il a rapproché. Oui, il l'a rapproché. Ma révélation est toi, non, ma copine. Hey, tu vois comment pour avoir des gars? là. il habite à mon compte comme tu là. Hé, hey, tata. C'est le vrai ténor. Bien sûr, c'est le vrai ténor. c'est le vrai ténor. Tu veux causer aussi avec lui Oui, oui, je veux causer avec lui. Bon, attends, au prochain appel, je vais te le passer. Bon, je vais lancer Numérica. <laughs> Numérica en ligne, je vais l'écrire. Il ne répond pas. Je crois d'abord qu'avec toutes les belles filles là, Passe ton temps, qu'on passe le temps à, la réalité. Mais j'aime pas les gars du secteur, cherche que les stars. Tu m'as dit. Leïla, viens s'il vous plaît. Oui, c'est ça, viens t'asseoir. Leïla tu sais que je t'aime beaucoup, non mhm. Tu sais que tu es ma cousine préférée, non Oui, c'est ça, je sais. Euh, j'aimerais, j'aimerais plus que tu déranges Ousmane. Ne lui demande plus les choses dont il ne peut pas te donner, pardon. Ce que tu dois faire, c'est de te concentrer dans tes études et obtenir ton bac. Quand tu auras ton bac, tu vas venir en ville. Je vais t'offrir un grand téléphone. Tu connais la marque du téléphone, c'est... <laughs> Ça, c'est l'iPhone 12 tu l'iphone 12 Non. Bon, c'est vrai que c'est pas l'iphone 12, mais ça tend à la, à c'est la S7. C'est quoi avec toi Tu peux pas rester là-bas dedans. Avec toute la chaleur là, je vais se faire quoi dedans C'est comment Toujours en train de gâter les conversations des gens. Ok, je vous empêche de parler. Ah, va là-bas. C'est la l'intérieur. Ce que je te disais, c'est que quand tu auras ton bac, tu vas venir, je vais t'offrir un très grand téléphone. Tu as compris, compris Mais pour le moment, ne dérange plus Ousmane, concentre-toi sur tes études. D'accord euh, je peux partir Oui, mais tu peux partir. il faut qu'on quitte déjà le village. moi, je suis fatiguée avec les moustiques partout, partout. seulement les la famille,